donc ñun suñu teewaay fii nii lu dulee jàppale ENDA si initiative bi eh, donc li ñu fi mun a en tout cas euh, jël rek euh, yóbbu ko pour que autorités yi euh, mën a ci gestu vraiment accompagner ENDA si initiative bi nii. parce que état bi mom muy liggéey ak ak ONG muy liggéey ak tamit euh, bonne volonté yo xamantene ne am nañu idée ci politique de de développement bi donc yakarna naa ne lii nii ko jégalee suñu jawriñ bi euh, dina ci dina ci dina ci en tout cas euh, en tout cas indi ci réponse quoi. C'est une initiative en tout cas qui concerne la bonne gouvernance, l'amélioration des conditions de vie des collectivités territoriales qui, euh, comme vous le savez, euh, voilà, malgré l'acte 3 de la décentralisation, il y a certains problèmes qui sont notés. Et donc ce processus-là est venu apporter des solutions euh, pour la vie des, collectivités territoriales en matière de développement. Et comme l'inscrit l'acte 3, comme adresse le PSE, dans son axe 1, l'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc je pense que c'est on apporte le plus euh, pour nous, euh, État, mais aussi de porter le plaidoyer au plaidoyer des autorités euh, pour que voilà, de telles initiatives soient encouragées.